les, les, conseils des agents de santé, euh, dans, un premier temps, euh, quand vous sortez de chez vous, euh, il faut mettre la bavette. Et avant de manger à la maison, il faut se laver les mains. la propriété, elle est, vraiment importante pour éviter cette maladie-là. Donc, garder la distance requise entre les personnes. évidemment, donc, là, si vous suivez les consignes, il n'y a pas de raison que vous ne d'attraper cette maladie. Eh, eh, je n'ai aucune connaissance sur le coronavirus. J'entends parler de cela, mais je porte quand même mon masque du fait des sensibilisations. Coronavirus, Coronavirus, que Dieu nous protège. Je peux dire que c'est une maladie qui existait depuis en Afrique. C'est une manière de rappeler aux populations son existence. Face à l'événement d'une maladie, on ne peut qu'implorer Dieu. Pour se protéger du coronavirus, il faut avoir de l'eau et du savon puis se laver les mains jusqu'à trois fois. Ensuite, porter son masque, aussi éviter de toucher sa bouche, son nez et ses yeux, et éternuer dans le coude. to coronavirus nan na muna jin shi dai a rediyo amma dai har yanzu gane sosai yadda on entend parler du coronavirus à la radio, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore compris les mesures de protection. D'ailleurs, ce n'est pas toujours qu'on comprend ce qui se ah dit à la radio, car ça passe vite. On entend dire de porter la bavette, de respecter la distanciation, la désinfection des mains.